Le s'ouvre à d'autres horizons. Le Sénégal s'ouvre à d'autres horizons, mais FMI Banque mondiale lâché wu ñu di les temps yi pour financer Sénégal ci ay programme non ñoo instant yi euh, ñoom euh, kii euh, JP Morgan la ñuy gën a ko FMI. waaw ñoom lu ñu wax ñoom nee dañuy jàppale ci ay financement Nous noonu. bailleur de fonds yi. JP Morgan. waaw ah ñoom day ils servent de sous-traitance de nous koy waxee sax ñoom ñooy def. link intermédiation financière voilà ils servent d'intermédiaire li ma bëggoon susciter rek. ci mm. question la doon laaj xam naa niveau d'information. Mm. Moi, euh, FMI ak Banque mondiale Si ñu la keppee la conditionné. Mm. yow da nga de fay teg Voyage ji sa bopp. Mm-hmm. voyage du président Bassirou Diomaye dafa tax FMI ak Banque mondiale nekk dans de bonnes dispositions pour accompagner le Sénégal. Mm-hmm. ak France aussi. parce que jéggi nañ leen fi dem lijjanti parce que coopération multilatéralement. Donc, c'est une très bonne chose de diversifier ses partenaires au développement. Wade l'avait compris. Mm l'avait compris, c'est moi initié. Moi, je suis un petit bailleur de fonds. Oui. renégociation d'une bonne partie de la dette. Et je crois que le régime bi, doit auditer la dette extérieure. Mm parce que le petit beaucoup l'a ramené. Donc, euh, stratégiquement voyage boobu dafa baax parce que dafay desserrer beneen étau feneen parce que dinañu gis ni ah kii kat ñun ñu ngi taxawoon pour lebal ko suñu xaalis pour am ci ay intérêt mm. pour suñu ay entreprise liggéey ci mais mu ngi dem ci Turquie mm. est-ce que duñ ko gën a oyofalal beneen yoon est-ce que duñ ko def offre boo xam ne mooy compétitive parce que c'est une compétition mm-hmm. Bon, Puis Chine le mm. Chine c'est le premier en économie en finance et même militairement la Chine c'est le monde Faut la njëkkee noué fa ay accord yu bëri signé ay MOU yu bëri comme yu signé en Turquie donc et puis c'est les BRICS encore mm-hmm. est-ce qu'il y que un ci bail xel c'est pas le bloc occidental mm-hmm. Arabie Saoudite xam nga dafa adhéré BRICS mm-hmm. wala yëgu leen loolu c'est le élargi nañ temps il passe. Waouh! Donc, c'est les, pays du, BRICS. Je vais analyser globalement. Donc, vous faites que nous avons un partenariat. Nous avons un partenariat. une conditionnalité. C'est un grand signal envoyé de l'autre côté. Hmm. Le signal, si vous fait effet, vous avez un ak am fofu ak am ci bloc occidental et ak bloc BRICS mais façon de faire Wade la sax daanaka liggéey. façon de faire Wade il faut les mettre en compte non français d'autopartie gis nga ñi ñu naan booy mm-hmm. ils ne lisent pas dans dans leur jeu. c'est-à-dire boo xamee euh, géopolitique. Mm-hmm. sa xol day sedd ci li ñuy def. li ñuy def bi c'est de la haute géopolitique. dañuy dem yéeg quoi. wure bu wure bu kawe la. Mm-hmm. jeu de grand la. jeu de grand parce que da ngay xool fi ñuy wuti jee. Sénégal fi mu président Bassirou Diomaye bu toogoon. ni dafa dafa bëgg dafa bëgg ñu organiser ko visite Erdogan. Mm. Erdogan day ñëw. Mm. parce que les entreprises turques sont là hein. mm. ils ont des intérêts partout au Sénégal ci secteur yu bari ci secteur du hydrocarbures. ci secteur du BTB ci secteur du port ci secteur agriculture. ci secteur énergie ci secteur éducation donc ci secteur du bari Turquie par nañ ñu accompagner ci des conditions yo xamné mo gëna avantageuse conditions occidentaux parce que nous, j'ai eu le privilège de discuter avec l'un de un de leurs responsables Nous, ñom c'est pas des colonialistes comme les Français un partenariat gagnant-gagnant lañuy noué ba dañu respecter premier ministre Ousmane Sonko euh, parce que man dama ko foré ci wéyu euh, loolu peut-être Sonko xamu xamu ko am na euh, de grands responsables turcs yu mu recevoir mais ñooñu bi ñu génnee ci audience bi dañu gis un premier ministre très intelligent ku bëgg réewam ku kenn mënut a tax loolu mooy seen impression te ils sont prêts à coopérer avec lui dans des conditions avantageuses pour le Sénégal ci gàttal. Nous avons nañu 40 Nous avons 60-40. quarante le ci président président Bassirou Diomaye bu Le déclenchement rek lay parce que une coopération officielle d'état à état mais le secteur privé turc et le secteur privé sénégalais ont de bonnes perspectives de collaboration de coopération Il rek lay indiwaatee discours surprise Abdoulaye Silla bi wax 50% d'actifs, war nañ ko jox le secteur privé national mm. en cas de partenariat avec l'extérieur, avec des partenaires étrangers mm-hmm. je crois que si nous une majorité à l'Assemblée nationale je le dis tout le temps avec Abdou Khadr Koulibaly mm. ci texte de référence nous ñu wara a nous na ci suñu code des investissements mm-hmm comme dans d'autres pays avons fa entreprendre dara associer une entreprise locale à hauteur de 50%. je crois que ça c'est pertinent donc président Diomaye bu ñëwee ak ay MOU MOU contrat un pré-contrat Nous avons un day pour nous pour ñu Sénégal mm. je crois que le Sénégal est bénéficié. le bloc occidental peut toujours se rattraper bu faites que nous na respecter du Sénégal dans notre partenariat mm pour aussi ñu ubbil ko parce qu'ils sont déjà là à ben BP Cosmos Orange donc nous, nous, nous axe de coopération avec euh, nous pour nous, dans ce sillage de partenariat gagnant-gagnant mm. et de priorisation de partenariat public-privé PPP bi nga nous ko je crois que Sénégal moo ci gagné te li ma gën neex ci euh, discours du président nee na dañu protéger suñu secteur privé national dañu war privilégier le partenariat public privé donc protéger suñu secteur privé national bokk na euh, imposer 50 pour le privé national en cas de partenariat public privé donc euh, yooyu ay piste suñuy explorer la les sources de financement nous yoo euh, comme conditionnalité FMI ak Banque mondiale parce que c'est la vieille garde mm. il y a une autre offre financière il y a une autre offre de partenariat Nous avons les mêmes contraintes que euh, les institutions de Bretton Woods. Mais que les, États n'ont pas d'avis. Hein. Justement, c'est au nom de ces intérêts-là qu'on doit diversifier nos partenaires au développement, qu'on doit avoir le libre choix mm. de nos partenaires au développement. Mm-hmm moi l'État n'a pas d'amis n'a que des intérêts donc les intérêts du Sénégal font mu moi nous diversifier ces partenariat mm, mm. après il faudra penser à l'Inde il faudra penser à la Russie il faudra penser à tout pays bo xamné Corée du Sud euh, mën na la indil euh, loo xam di ci avancer il y a une question que je la poser euh, mais il y a une internaute euh, bu Diop Marie il dit mhm. que bonsoir euh, si c'est le cas monsieur Clédor pourquoi les Sénégalais qui vivent là-bas sont maltraités la Turquie en Chine Europe chacun ne voit que ses intérêts parce que nous avons fait une émission da ngay été ne bu les Sénégalais yu sont yu en Turquie ils sont interpeller par rapport la tracas et la maltraitance yi nga fait au niveau de la Turquie le président qui semble se rapprocher de Erdogan pour ne pas dire de la Turquie est-ce que retourne na aussi euh, li nga de ne sénégalais yi dafay dund parce que c'est une réalité ñom à chaque fois dañuy interpeller par rapport à euh, li nga xam ne nek fay dund je crois que euh, waron na dem ak ministre affaires étrangères wala kii tous les sénégalais de l'extérieur mhm. parce que c'est une question aussi lolu bokk na ci souveraineté souveraineté nous sommes sa bop rek mais moy respecter respecte aussi ce citoyen à l'extérieur mhm américain boko ko fi état état américain muy jóg. alors que sénégalais fépp fu ñu koy mettital en général dañuy daan seetaan. mais gis nga fan yi euh, ñu rapatrier sénégalais yi en prison en Libye. ak ñi xamni dañu nékkone en souffrance je crois en en Espagne je crois ñu indi len donc lolu déjà c'est un pas vers la protection des sénégalais de l'extérieur. donc ñi nek Turquie comme ñi nek Liban dégg nañu seen ay tawat et je crois que le président de la république le gouvernement war nañu en charge euh, le respect des droits des sénégalais. ci pays d'accueil yi euh, dans la mesure où ñoom aussi ñu respecter les lois des pays yu ñu nekk. donc les sénégalais moom fu mu nekk liggéey moo ko fay bàyyi ñaareel. donc euh, ci biir liggéey boobu bu fekkee ni amul problème ak yoon. Mhm. le droit du travail ou la loi de ces pays là je crois que les devons protéger pour faire qu'ils ils sont en règle. Mm. donc lolo, je crois que nous devons aussi. Mm-hmm. protéger les Sénégalais où qu'ils sont aussi bien en Turquie euh, euh, qu'en. Chine euh, et au Liban surtout. parce que Fof aussi c'est très compliqué. Mm-hmm dégg naa taay taayu naan pourquoi ay Libanais Liban yi gars yi sujet bi dañ koy daw wala lu xew wala. da ngay euh, nit ñi lay expliquer li fa Sénégalais yi dund mais mais on en parle pas. Euh, dégg naa Taïru Sarr euh, ni wartuñu permettre benn libanaise mu accoucher fii parce que fële dañuy tere Sénégalais yi ñu accoucher fa. c'est vrai. xam waaw c'est vrai. oui c'est vrai c'est vrai. dañuy tere Sénégalais yi. Babacar Touré est allé jusqu'à là-bas. si si ba rapporter ay témoignages yoo xam que moom moo ko dund recueillir moo ko collecté. Ah. te xam que c'est un bon journaliste. je te jure ce qui se passe. boo xëy na dañuy bañ a am nationalité peut-être la loi dit que vous fa juddoo am nationalité ñu bañ ko fa juddoo tout simplement xam nga tey jii euh, boo embarqué pour États-Unis gars yi lay France parce que dañuy bañ foofu boo rek nationalité euh, mm. automatiquement ces lois là ko réviser pour quelques personnes. Mm. C'est constitutionnalisé. léegi boo aux États-Unis. Mm-hmm. donc euh, ñun voilà quoi c'est ce que mhm. as les hein. <laughs> Mhm, mhm, des fois, vous voyez, les gens pensent qu'il est euh, dur, mais euh, tous les pays normaux. mais, mais avec une approche communicationnelle très soft. Parce que tout est, dans la manière de communiquer. Un message, euh, il peut passer très facilement selon la méthode de communication mm. ou très difficilement selon la méthode de communication. Il faut une communication soft pour des sujets sensibles. Hmm. L'approche doit être la persuasion. Parce que moi, je dit, je bon, as euh, va interdire à toutes les Libanaises d'accoucher sur le sol. Wow. Le titre, ça choque. Et le journaliste, son chapeau, l'olé pour accrocher le lecteur. Hmm. Mais si tu la vidéo, bon, tu apprends que les Sénégalais n'ont intérêt à accoucher, Ils demandent juste la réciprocité. C'est ce que je Mais ils ont enveloppé dans un discours tu persuades les gens provoquer une indignation tu es maltraité sénégalais Liban mm. de quel droit nous tere accouché? accoucher alors que filles, ils ont tous les droits donc débat est beaucoup posé après tu fais tes propositions. mais dans un pays comme mm. l'Égypte Fofo du la a nga mais Bofo accouché accoucher doit nationalité hein. C'est une question de loi, mais si la loi dit que bof est nationalité aussi, ça peut créer des réticences. règle. Euh, Moustapha, par rapport aux visites du président Bassirou Diomaye Faye euh, si euh, de Turquie avec même Arabie Saoudite Moumenikom, euh, il s'ouvre à d'autres horizons le Sénégal là le monde a gagné par rapport à ces nouveaux pays pour pour les Sénégalais parce que euh, Europe leen à deal pour ne pas dire la France mais xam nga kilifa gu bees bu ñëwee. Mhm. Eh, te ku nekk eh, am na ay relation am nañu amoon nañu ko ak Macky Sall. Mhm. ñenn ñi dañoo jàppoon Macky Sall seen grand frère ñenn ñi jàppee ko seen petit frère. ñenn ñi mhm. jàppee ko nangam ak nangam. léegi nag yow kilifa gu bees boo ñëwee. dafay war tamit nga amaat say accès yu bees. mais accès yu bees yooyu yëpp di am li ñu ciy jiital mooy sa intérêt dëkk. foofu la njiitu réew di gënante. nit ki nit ki daan na dem si dëkk ak dëkk jë jiital intérêt boppam. ba fa intérêt dëkkam. maanaam signé na loo xamante ne lañ def ci poosam wala lañ ko jox wala ñu jox jabaram. Mm. moo ko gënal fuuf la nga xam te moom lay dëkkam di gagné. donc bu démarré <coughs> ni ko Clédor waxee. Mm-hmm. xam nga euh, yaa ngi dégg fan yii paase ñu ne levé nañ 181 yoo xamante ne sur le marché financier international. lañ ko mm-hmm. lañ ko lañ ko lañ ko loolu laa bëggoon jàpp ak ñëw ci.